le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio forum du du du du du Merci, messieurs, dames, bonsoir euh, et merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Vous nous suivez à Niamey dans l'ensemble des chefs-lieux des régions à travers le réseau des radios partenaires, 20 radios dans les chefs-lieux de région ainsi que dans les localités d'Arlit, Filingué, Birnigaoré, Tirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza Dolbel, Meine soroa et Sailly. Il est 18h passé de 16 minutes. Les programmes se poursuivent. Le forum du vendredi, votre rendez-vous hebdomadaire, c'est du décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Nos invités ce soir, Murtala Mahmadou du journal La Griffe, Aruna Gorel, directeur de publication du journal Mutation, Sidik Boukarali, journal journaliste indépendant, et Issa Madougou du groupe de presse Ténéré. Voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Le nouveau classement pour l'année 2016 avec les données complètes compilé en 2015 l'indice de développement humain IDH dont le monde est connu, le Niger gagne une place après le Burkina Faso et le Tchad et devant la République centrafricaine. Ce palmarès est établi chaque année par le programme des Nations Unies, PNUD, l'organisation de l'ONU en charge des questions de développement. 15 maires des communes et et l'ensemble des conseillers régionaux d'Agadez ont, dans une déclaration rendue publique le 20 mars dernier, exprimer leur mécontentement de la gestion actuelle de la migration en ligne de mire la loi de 2015 relative au trafic illicite des migrants. Au cours de cette déclaration, des élus locaux ont vivement dénoncé le refus des trois sociétés minières de la région, à savoir les deux filières d'Arriva, Cominac, la Somaïr et la Sonichar de mettre les communes dans certains de leurs droits. La réponse du berger à la bergère du comité exécutif national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, ne s'est fait, ne s'est pas fait attendre. Cinq jours après la déclaration du bureau politique du parti Modem FA Lumana survenu après le verdict en appel de l'affaire dite de supposition d'enfant, le Pendes Tareya a lui aussi réagi. On en parle tout de suite. On note de plus en plus des visites au plus haut niveau des responsables français au Niger. La visite à Niamey du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, avait été précédée de celle du ministre français de l'Intérieur et la visite en mai 2014 du président Hollande, visite qui présage des bonnes relations entre les deux pays, notamment sur le plan politique, économique, mais aussi et surtout à travers la coopération culturelle, scientifique, défense et sécurité. Voilà pour les titres. Bonsoir à vous, chers euh, confrères, et merci euh, d'être euh, là. Le Niger gagne une place au palmarès de l'indice du développement humain IDH dans le monde après le Burkina Faso et le Tchad et devant la République centrafricaine. Ce palmarès est établi chaque année par le programme des Nations Unies de l'organisation de l'ONU en charge des questions de développement. Détail avec Gungu Mamadantani. Cette édition prend en compte le nouveau classement pour l'année 2016 avec les données compilées en 2015. Le Niger fait un pas en avant puisqu'il occupe désormais la 187e place sur 188 pays classés. Notre pays vient juste après le Burkina Faso et le Tchad et devance la République centrafricaine. L'indice de développement humain IDH est un indice statistique composite créé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde. Il correspond à la moyenne de trois indices le PNB, produit national brut par habitant, l'espérance de vie à la naissance et enfin le niveau de scolarisation des jeunes. Le PNUD précise cependant que le produit intérieur brut PIB n'est pas un outil suffisant complet pour évaluer le bien-être d'une population. Il faut également regarder de près la façon dont les richesses matérielles et immatérielles sont distribuées. La place qu'occupe le Niger dans ce classement alimente régulièrement la polémique. Comment donc euh, euh, analysez-vous ce rang du Niger euh, On dit bien que notre pays a gagné une place. Je commencerai par Mortala Mamadou du journal La Griffe. Bien, le fait que le Niger gagne une place dans ce classement, cela va dans le sens d'honorer d'ailleurs tout citoyens, mais euh, de mon point de vue, il faut, il faut, il faut aussi garder la tête, euh, disons, les pieds sur terre et ne pas trop s'envoler. Euh, une place, on a toujours aussi entre cette dernière et cette avant-dernière place. Donc, euh, ce n'est ni une victoire, encore moins peut-être quelque chose qui, sur lequel on a exulté aujourd'hui, mais cela montre quand même tout de même qu'il y a des efforts et des résultats qui sont en train d'être atteints euh, même si euh, beaucoup reste à faire. Euh, cette place gagnée signifie-t-elle quelque chose à Issa Madougou du groupe de presse à Ténéré Merci Diallo. Je crois bien que ce dernier classement démontre une fois de plus que nous avons assez de difficultés dans ce pays, surtout par rapport au quotidien des Nigériens. Moi, je ne pense pas que c'est une victoire. Qui est dernier C'est un pays en guerre qui peinent à retrouver même euh, l'intégrité de, ces institutions de la République. Donc, on dit dans l'indice de développement qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, le niveau, l'espérance de vie, la santé. mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. En cinq ans, on nous parle de plusieurs milliards qui sont, six ans du moins, qui sont investis dans ces secteurs. Et alors qu'on continue, nous n'avons pas les mêmes réalités, certes, mais il y a des pays qui n'atteignent même pas la moitié de ce qui a été investi au Niger dans ces secteurs pour améliorer eh, les conditions de vie des Nigériens. Mais aujourd'hui, qui gagnent plus de place. Alors qu'est-ce qui se passe Ce qui veut dire que soit nous n'investissons pas, nous faisons de la comédie, ou bien même l'aide au développement qui est affectée dans ces secteurs n'arrive pas à soutenir les différents projets. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce classement encore démontre une fois de plus la mauvaise gouvernance qui caractérise ce pays. Alors, euh, que dire des indices qui permettent de faire cette évaluation Sadiq euh, Ali, euh, journaliste indépendant. Bon, merci, Madame Diallo. moi, j'ai une lecture beaucoup plus optimiste parce que être avant-dernier, quand même, c'est mieux que d'être dernier. Donc, on aura quand même un peu avancé. Mais euh, Issa euh, Madougou, donc, euh, du groupe de presse vient de dire que c'est justement un pays en guerre qui donc est dernier. Oui, c'est-à-dire que comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire, bon, Issa vient de donner ses raisons, mais moi je pense que quand même, si on essaie d'observer les chiffres tels que avancés par le PNUD, ce chiffre ne traduit pas forcément euh, la réalité vraiment en tout cas que vivent tous les jours les Nigériens. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est vrai sur le plan scolaire local, les Nigériens ont des difficultés. Du point de vue, par exemple, aujourd'hui. Difficultés où on parle de blocage carrément non, blocage, pas. Je ne suis pas tout d'accord avec cet avis. Blocage, si dans certains secteurs ça ne marche pas, par exemple au niveau de l'école, quand même il y a des secteurs où ça marche. C'est-à-dire, c'est vrai, il se pose des problèmes, des problèmes de fond, par exemple le problème de dialogue entre les acteurs aujourd'hui de l'école, mais euh, aujourd'hui, il suffit quand même que les acteurs veulent arriver vraiment à une solution, ils peuvent arriver. On n'est pas vraiment dans une situation de fatalité ou de fatalisme, si vous voulez, en un mot. Alors, cela veut dire que ah euh, pour vous, cette année scolaire, par exemple, euh, qui, euh, je ne sais pas si on peut dire totalement. Oui, jusqu'à ce que le récent débat arrivé, par exemple, sur les réformes de l'école, quand même, tout marchait pratiquement bien. Voyez-vous, pas très bien, je veux dire. Mais tout marchait quand même normalement. L'école, les Nigériens sont rentrés en octobre, tout le monde le sait. Voyez-vous, c'est à partir du 15 octobre que les Nigériens ont fait la rentrée. Kahin Kahan, on ne peut pas quand même aujourd'hui demander vraiment en que les choses se fassent de façon parfaite, mais quand même, l'école a fonctionné, il y a eu les examens, les compositions ont eu, les enfants sont partis vraiment, en tout cas, euh, comment on appelle, en, congé, après avoir vraiment, en tout cas, épuisé tout le programme. Je vous parle en tant que parent d'élève, oui, tout à fait, jusque-là. Et mais maintenant, le problème qui se pose, c'est cette affaire de réforme qui est venue vraiment, en tout cas, à plage, et qui tombe comme un pavé dans la main et qui crée tout un débat tout autour. Mais ça ne veut pas dire que l'école nigérienne aujourd'hui est en situation de dysfonctionnement total. Non. L'école a des problèmes. alors, on va, on va y aller avec euh, euh, Aruna Gorel, directeur de publication du journal Mutation. Il n'y a pas seulement que le secteur de l'éducation, on a aussi d'autres secteurs, hein, par mhm. exemple. Est-ce que vous pouvez aussi, euh, vous trouvez que ces secteurs-là sont aussi en difficulté Bon, en tout cas, euh, bonsoir d'abord pour euh, cette invitation. Bonsoir, mademoiselle Diallo. Bonsoir. Moi, j'ai tout de suite envie de dire enfin, parce que ça fait quand même très longtemps que le Niger occupe euh, la queue du peloton. Et, si aujourd'hui. Ah. Allez-y avec Vivazi, on vous écoute. Ah, d'accord. Et donc, si, si aujourd'hui il se trouve que on gagne, même si c'est une demi-place, je pense que c'est quelque chose de positif, quoi. Et je dirais aussi que, et c'est vrai qu'il y a eu des avancements, que quelque part ces investissements ont porté fruit. Il euh, n'y a, pas que l'éducation, il y a aussi des secteurs sociaux tels que la santé, tels que l'accès à l'eau, sur lesquels cet indice-là est, calculé, il est mesuré. Et, alors, donc, euh, quand vous prenez de 2000 à, à 2010, il y a eu beaucoup d'investissements. C'était des milliards qui étaient injectés. Mais ce qui n'a pas empêché le Niger d'être dernier. Mais euh, lorsque vous prenez par exemple des cinq dernières années, lorsqu'on fait le prorata, avec les investissements à comparer avec ce qui s'est passé de 2000 à 2010, je pense que c'est quelque chose de positif. Euh. Des efforts restent à faire, hein. euh, peut-être que, mais je pense que c'est quelque chose déjà de positif. Alors, est-ce qu'il faudra se, peut-être, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même, même si c'est une demi-place, vous vous pensez pas quand même c'est pas trop ambitieux pour pour ce pays On a aussi Issa de, mm-hmm. du groupe de presse Ténéré, vous lui mm-hmm. dit tout à l'heure des investissements qui ont été faits, mais qu'on n'a pas vu beaucoup d'avancement que euh, c'est vrai, et je vais, je être un tout petit peu dans le sens, dans le même sens que Gorel. Euh, il faut se réjouir même si c'est euh, une demi-place. Mais quand même, ce qu'il y a, quand vous regardez, il y a des pays africains. On a les mêmes réalités. du point de vue de même leur budget, notre budget dépasse leur budget. Et les investissements que nous avons dans les secteurs sociaux de bas, tels que l'école, la santé, l'accès à l'eau potable, l'amélioration des conditions pour que les citoyens puissent avoir euh, un revenu constant, proportionnel à leur quotidien, ces pays, pourquoi ils nous dépassent Ce qui veut dire que c'est l'argent qui est, il n'y a pas un contrôle Contrôle, vous pensez à un détournement, des détournements oui, effectivement, c'est que les fonds qui sont alloués au secteur, c'est que l'État ne se donne pas la peine de contrôler si réellement il y a eu investissement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est frustrant de, le voir que certains pays, nous tous nous avons l'habitude de voyager dans d'autres pays, on connaît leur réalité. Mais comment, qu'est-ce qui se passe ils sont plus humains que nous ou bien quoi C'est ce que voilà des questions que les Nigériens lambda se posent. Parce qu'au regard des ressources que nous avons, ces pays n'ont rien. Mais ils nous dépassent pourquoi C'est parce que juste des hommes qui ont compris que la bonne gouvernance doit être au cœur de tout ce qu'il y a à planifier pour le développement et l'amélioration du quotidien de, de leurs concitoyens. Alors, je crois bien que ce classement, il ne faut pas que ça soit encore comme les années antérieures où l'Institut national de la statistique va se mettre dans cet exercice à vouloir justifier de force notre place de dernier. Non, il faut que le divertissement, ça s'arrête. Il faut remettre tout le monde euh, au travail pour que les choses puissent bouger. Ça dire que vous voulez ajouter quelque chose Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Oui, moi je pense que, euh, contrairement à mon petit frère euh, qui est très incisif, moi, je pense qu'il faut être un peu lucide quand vous appréciez un peu les faits qui caractérisent la vie d'un État. Un pays, vous savez, c'est un peu de tout. Nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes. Tout le monde le sait. Mais il se trouve aujourd'hui que nous n'avons pas aussi les solutions à porter demain immédiatement. On les cherche, nous sommes toujours à la recherche de ces solutions. Quand, par exemple, euh, il parle euh, de problèmes, par exemple, d'éducation, des problèmes de santé, des problèmes de gouvernance, tout ça là, ça n'a pas euh, commencé aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Vous comprenez C'est une question de culturelle, c'est une question d'état d'esprit. Les Nigériens, vous savez, le problème c'est que dans notre mentalité, par exemple, si vous prenez les Nigériens dans leur ensemble, ils disent que tant qu'il y a des paillotes, il y a un problème d'éducation. Et vous pensez que non J'arrive, j'arrive. non, les paillotes, non, mais écoutez, moi j'ai étudié dans, dans, des paillotes. Et ça veut dire que. Oui, mais vous, euh, c'était à une époque et maintenant nous sommes à une autre mais époque. Mais à cette époque, on se sentait mieux qu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi Donc c'est pourquoi, laissez-moi compléter. Euh, en ce moment, dans les années 1970, 72 et autres là, les Nigériens ne se plaignaient pas de l'école. L'école, les gens fuyaient en ce moment. Vous avez 15 secondes pour terminer votre intervention. Donc euh, c'est pour vous dire que l'indice de développement humain prend en compte beaucoup d'aspects. Et les aspects là euh, qu'il euh, vient de citer, par exemple en ce qui concerne l'école, la santé, tout ça là, des efforts titanesques sont en train d'être faits. Vous comprenez Aujourd'hui, ni lui, ni moi, personne ne peut vous avancer des chiffres assez précis pour vous dire telle chose a été faite, et telle chose n'a pas été faite. Alors, nous poursuivons, donc euh, ce, débat, ce forum avec euh, euh, un, autre, sujet. Donc, les 15 maires des communes et l'ensemble des conseillers régionaux d'Agadez ne sont pas satisfaits de la gestion actuelle de la migration ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique le 20 mars dernier après une réunion du cadre de concertation dans lequel ils sont regroupés. En ligne de mire, la loi de 2015 relative relative au trafic illicite des migrants qui prévoit des peines de prison très lourdes pour ceux qui se livrent à cette activité. Sur cette question, écoutons les explications du président du Conseil régional, Mohamed Anako. Comment on peut comprendre On nous empêche de mener des activités dans notre région, tout simplement parce que l'Europe ne veut pas qu'il y ait des migrants qui arrivent. Nous, on ne doit plus mener des activités génératrices de revenus à Agadez. C'est ce que ça veut dire. On est considéré comme des criminels à travers cette loi. Donc c'est faux. Nous sommes des Nigériens comme tout le monde qui se soucient de la stabilité de leur région et de leur pays. On veut gagner dignement notre vie. Ces jeunes-là qui font les transports traversent le déserts, il y a trop de risques. Mais ils le font parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille au lieu d'aller voler à gauche, à droite. Malheureusement, quand il y a eu ces trois, on a commencé à les arrêter, on a commencé à prendre leurs véhicules. Mais avec tout cela, les responsables des collectivités sont parvenus à sensibiliser leur jeunesse pour leur dire que ce n'est pas grave, parce qu'on espérait qu'il y aura des mesures d'accompagnement. Mais avec du recul, on a compris qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Donc c'est pour cela aujourd'hui, on a convoqué les gens pour leur dire, bon, écoutez, il n'y a rien, on ne voit rien, on a interpellé nos partenaires, on a lancé un appel à notre État pour qu'ils se ressaisissent. Explication du président du conseil régional, Mohamed Anako. Et donc, quelle analyse faites-vous de la loi de 2015 relative au trafic illicite des migrants Mortala Mamadou euh, du journal La Griffe. Eh ben, écoutez, cette loi euh, de 2015, moi je crois, je, je, faisais partie de ceux qui, l'ont, qui ont émis des critiques dès le départ en, disant ceci tout simplement. Euh, nous avons des concitoyens euh, qui sont dans une zone où euh, beaucoup d'activités qui peuvent les occuper ne sont pas possibles. Et aujourd'hui, grâce à ces passages de, ces populations qui vont essentiellement vers les pays maghrébins frontaliers, ils arrivent à, à, trouver, mener une activité qui, selon, les, toute vraisemblance et aujourd'hui, des, informations euh, euh, leur permettre d'avoir des gains assez importants. Alors, avec cette loi, qu'est-ce qui s'est passé On a pénalisé ce travail, ce travail de transporteur de migrants. Euh, il suffit que vous ayez des, des personnes de nationalité, qu'elles soient nigériennes ou étrangères, qui veulent franchir la frontière d'un État pour que au Niger vous soyez considéré comme euh, un, délinquant vis-à-vis de la loi et que vous êtes en porte-à-faux avec la loi pour vous retrouver derrière les barreaux. Alors, de mon point de vue, ça c'était le premier faux pas. Euh, quand on franchit une frontière de façon illégale, je crois que c'est l'État dont la frontière est franchie qui est victime d'une agression. Et c'est à lui de prendre des dispositions pour se protéger. Ce n'est pas à son voisin et d'essayer de jouer son gendarme même si on l'a vu, comme l'a dit l'analyste, euh, les frontières de l'Europe sont en train de se déplacer à Gadez. Donc pour vous, c'est, comme on le dirait, un faux problème non, euh, c'est un problème véritable qui est là parce que des gens, des jeunes gens ont fait des investissements dans lesquels ils sont en train de mener une activité qui, si elle s'est, déroulée à Niamey ou dans une autre région, ne serait pas considérée comme illicite. Mais comme ça va vers les pays maghrébins et qui sont aux portes de l'Occident, c'est considéré comme étant un délit. Alors, euh, Gorel Aruna Gorel, directeur de publication du journal euh, Mutation, hein, pourra-t-elle cette loi permettre euh, de mettre fin au mouvement des migrants à partir d'Agadez merci. Je vais dire d'abord que personnellement, hein, à côté ou au-delà d'être journaliste, quand même, j'ai la chance d'être également assistant de recherche. Et j'ai la chance de travailler avec le professeur Tijani Allô euh, qui est en train d'écrire un livre sur la, gouvernance du pétrole en Afrique et cas du Niger. J'ai fait des recherches pour lui sur un domaine précis, euh, pétrole et, mouvements sociaux. Donc c'est pour dire qu'il y a un lien intime entre cette problématique que vous venez de poser et puis le problème de la gestion de nos ressources naturelles. Si vous vous rappelez, je parle sous le contrôle du, grand frère euh, <laughs> à, Difa. Il fut une année où euh, il y a eu des mouvements sociaux terribles avec l'exploitation du, pétrole. Et en conclusion, ce que les gens avaient demandé, pas seulement d'IFA, Agadez aussi. Agadez aussi, c'est quoi C'est cette question de la rétrocession de 15% sur l'extraction des ressources naturelles. Mais cela permet aux communes de fonctionner. Mais pourquoi est-ce que euh, cela encore n'est pas mis en œuvre Je pense que ça, c'est, une voie qui pouvait permettre aux collectivités d'abord euh, de se prendre en charge. Ça veut dire que cette, loi vient mettre à mal les activités de cette région. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, Issa Madougou du groupe de presse euh, Ténéré. Alors, cette loi, comment vous la voyez Est-ce qu'elle a des insuffisances et des limites pour vous, cette loi est-elle justifiée eh ben, écoutez, Diallo, moi je pense que ce que viennent de dénoncer les élus locaux et régionaux de la région d'Agadez n'est que la résultante euh, d'un engagement que ce n'est pas seulement le Nigérien. La majorité des pays subsahariens qui ont participé à, ce, à, ce, sommet de la Honte de la Valette c'est ça, c'est la résultante de ces engagements qu'ils ont pris sans pour autant demander qu'il y ait. Parce que ce qu'ils ont demandé, ils ne l'ont pas en main, mais quand même ils ont appliqué les engagements. C'est ça qui est terrible. Quand vous prenez ces régions, l'Aïr jusqu'au Kawarana, je parle sous le contrôle de décalés. Si aujourd'hui les élus locaux s'insurgent contre le non-versement de ces 15% et l'arrêt immédiat de toute activités liées à l'immigration, c'est pour des questions sécuritaires quand on connaît dans un passé ce qu'a vécu cette région. Les gens sont occupés. Si les gens sont occupés, c'est que c'est une bonne chose pour la communauté. Malgré que les gens craignent des, scènes de violence, non. C'est dans cet esprit de no man's land qu'il y a un développement. Aujourd'hui, quand vous prenez, depuis que euh, a fermé le ghetto, on commence à arrêter les pauvres citoyens comme ça, partez dans le nord, vous allez voir ce qui se passe, c'est la misère est revenue, mais dans un passé, il y a quelques mois de cela. Mais je vous assure même, l'activité de vente de véhicules, l'activité de vente de, produits venant du Nord a enrichi beaucoup, de a permis de stabiliser et de contribuer à la stabilisation de cette région et à la consolidation de la paix. Parce que quand vous, les gens, surtout les jeunes, quand ils se sentent impliqués, qu'ils ont des revenus, mais vous pensez que ces gens-là peuvent aller à l'encontre des lois non. cela veut dire que cette jeunesse pourrait constituer peut-être une, bombe à retardement, quelque chose de très dangereux. Oui, mais la jeunesse a été toujours une bombe à retardement. C'est qu'au Niger, moi je pense que ces élus, par rapport surtout à, ces deux euh, problématiques, les redevances que de 15% que les sociétés doivent verser et aussi cette question migratoire doivent être résolues le plus tôt possible. Et parce que tout à l'heure, Gorel, euh, a dit, faisant euh, quoi Les mesures d'accompagnement. Mais les mesures d'accompagnement d'accompagnement, ces sociétés, c'était une loi qui existe ils sont obligés de verser ces 15%. On a vu le cas de DIFA, ce qui s'est passé dans un passé récent. Et jusque-là, nuit été. Vraiment, on exploite le pétrole à DIFA. Mais aujourd'hui, qui peut me dire les retombées, à quoi ça avait servi au développement de cette région alors, Rien. Alors, euh, une question peut-être euh, à laquelle euh, Sidik, Sadik Boukar Ali, journaliste indépendant, pourrait réagir. Moi, je pense que <clears throat> il faut dire la vérité clairement par rapport à cela. Euh, cette affaire vraiment d'immigration, si on essaie d'observer de près, c'est une forme d'hypocrisie qui a été vraiment en tout cas conçue, c'est-à-dire que dont les éléments ont été conçus à partir de l'Europe, mais que les acteurs veulent nous adapter ici en Afrique. Pourquoi aujourd'hui les Européens, l'Europe qui est la destination finale aujourd'hui des populations pauvres de toutes autres régions, aujourd'hui se gênent et se sent préoccupé par rapport vraiment à cette question d'immigration, alors qu'il y a des questions fondamentales. Par exemple, les questions de pauvreté, les questions d'éducation, ce sont des questions vraiment normalement, c'est-à-dire qu'il faut résoudre sur place pour que les populations restent. Je vais vous donner un exemple. Vous remarquerez que partout là où les populations s'adonnent à cette immigration, c'est qu'il y a non seulement une forme de pauvreté artificiellement créée, mais aussi de l'autre côté, il y a des guerres qui sont provoquées aussi qui poussent ces populations. Le cas, par exemple, laissons le cas par exemple du Niger autre. Aujourd'hui, il y a combien de millions de Libyens, eux-mêmes des Libyens, qui étaient hier seulement des gens qui vivaient dans l'Eldorado, qui s'adonnaient à cette migration qui a créé les, conditions C'est l'Europe qui a créé les conditions. Quand vous prenez par exemple des pays comme la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'était l'Eldorado. C'est vraiment le, paradis, hein, vraiment un havre de paix en Afrique. Depuis que eh, ce qui s'est passé en, Côte d'Ivoire s'est passé, on sait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus confiance à leur État. Ils ont perdu quand même la ligne vraiment de conduite. Aujourd'hui, ils veulent vraiment atterrir en Europe. Quand vous essayez de prendre. Et beaucoup de ces jeunes traversent. Euh, dans tous les cas, le problème d'immigration est toujours basé sur la misère des autres pays. Et cette misère est créée par les Européens. Maintenant, revenons au cas précis d'Agadez. Et pourquoi aujourd'hui les élus d'Agadez se plaignent Parce que les Européens sont venus, ils disent nous écoutez, arrêtez, et euh, empêchez à ces Africains de venir chez nous. Ils ont demandé au Niger, ils ont demandé à Libye, ils ont demandé en Tunisie, ils ont demandé en Algérie et au Maroc. Vous êtes vraiment des pays eh, vraiment, en tout cas sur la ligne de front. Essayez d'empêcher ces gens vraiment qui vont venir vers nous. Ils ont pris l'engagement, tous ces pays ont souscrit un accord dans notre pays, le Niger. Ils ont dit, nous allons faire notre effort, tout l'effort possible pour empêcher à ces gens de venir vers vous, mais à condition que vous mettez à notre disposition les ressources nécessaires. Les ressources financières qui vont nous permettre d'acheter non seulement des moyens de surveillance, avoir des moyens, par exemple, de renseignement. C'est justement ça, ce sont ces ressources qui, tardent à venir. Non, mais les ressources ne sont même pas arrivées. Je vous dis, c'est de l'hypocrisie, c'est plus et simple. Aujourd'hui, il y a un fonds, par exemple, euh, j'arrive, un fonds qu'on appelle le fonds fiduciaire d'urgence, que l'Europe a mis en place. Euh, euh, au niveau, par exemple, de trois ministères, je crois savoir que c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère du Tourisme. Mais ce fonds, aujourd'hui, jusqu'à présent, n'est pas mis à la disposition du Niger pour que le Niger puisse commencer à travailler. Et autant les élus d'Agadez n'ont pas eu ce à, quoi ils s'attendait autant l'État de Niger n'a pas eu. Vous comprenez Et c'est ça le problème aujourd'hui. Mais il faut aussi corriger, mademoiselle Diallo, j'arrive, mais euh, euh, le problème de l'immigration, ce n'est pas seulement Agadez. Il faut quand même corriger les tirs. Vous savez le problème, il faut avoir une lecture beaucoup plus globale. La zone de Telabéry aujourd'hui est une zone d'immigration. Quand vous prenez la zone, par exemple, de Niamey, c'est une zone d'immigration. Difa, c'est une. C'est-à-dire, Agadez, c'est la porte d'entrée vers la Méditerranée vers la Libye, vers l'Algérie, autre. Dans cette même déclaration, les élus locaux ont vivement dénoncé le refus des trois sociétés minières de la région, à savoir les deux filières d'Arriva, Cominac et Somaïr, et la Sonichar de mettre les communes dans certains de leurs droits. Déjà, les trois années qui ont été chiffrées, euh, on est autour de, euh, de 1,8 milliard. C'est une question de droit. Nous profitons de cette occasion pour alerter l'opinion publique nationale et même locale pour que les gens sachent de quoi il s'agit et dans quelles conditions on est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à cette taxe-là, qui est un droit fondamental pour la population. Il est évident qu'avec la décentralisation, le repère, c'est les collectivités, qu'elles soient communes ou régions. Mais ces collectivités-là, si elles n'ont pas les moyens que la loi leur concède, notamment par les impôts qu'elle leur rétrocède, rien ne peut se passer. Ces collectivités ne peuvent pas travailler. Et au contraire, on arrivera à un moment où les gens vont être tellement découragés qu'ils ne croiront plus à la décentralisation. Donc, il y a déjà cette alerte-là qui est fondamentale pour nous, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. La deuxième étape, elle va être juridique. De toute façon, nous n'entendons pas rester là. Nous entendons utiliser tous les outils juridiques à notre possession pour justement faire euh, en sorte que les communes et la région rentrent dans leurs droits. Vous venez d'entendre Souf Maya, maire de la commune de Tirozérine, au maire de la commune de Tirozérine. Voilà donc euh, Issa euh, Madougou du groupe de presse euh, Ténéré. Par rapport donc au gain de ces sociétés, vous venez d'entendre, le maire l'a bien dit, 1,8 milliard, c'est énorme Mais eh, évidemment c'est énorme Diallo, parce que ça, ça pourrait changer beaucoup de choses dans ces, dans ces zones. Mais le problème en est que c'est qu'on ne sent pas l'implication de l'État. On ne sent pas l'implication de l'État dire à intimer ces sociétés parce que c'est une loi qui existe. Il faut respecter ces lois. Mais du moment où on sait que de la manière où ces sociétés ont notre pays à main, mais que doit-on faire Mais c'est de sortir. Moi, je suis d'accord, je, le, soutiens à, 100%. Et la démarche judiciaire euh, Mortala Mahamadou du journal La Griffe Bien, euh, cette démarche judiciaire pourrait aboutir si ce sont ces sociétés qui euh, retiennent encore euh, ces taxes. Je me demande si elles ne sont pas en règle vis-à-vis de l'État au niveau national et que maintenant c'est autour de l'État de procéder à cette rétrocession. Idem pour les 15% prévus par la loi sur l'exploitation minière de notre pays. Donc il faudrait peut-être que mm, ce collectivité territorial s'adresse d'abord à l'État afin de savoir l'état des lieux parce que il n'indexe nulle part l'État. Il s'adresse directement à ces sociétés alors que c'est l'État qui perçoit ces taxes euh, en principe pour les rétrocéder par la suite. Alors, est-ce que euh, cette déclaration peut, paraître comme une mise en garde à Aruna Gourel, directeur de publication du journal Mutation Absolument, je pense que c'est une mise en garde euh, aussi bien pour, pour Areva que pour toutes les autres sociétés qui exploitent les ressources du pays. Euh, lorsque vous prenez par exemple le cas de la région de, de Tilabiri, euh, avec l'or, tout le monde sait l'opacité qui entoure l'exploitation de l'or. Et, donc, euh, cette déclaration, je pense que c'est vraiment une menace aussi bien pour Areva que pour les autres sociétés. Autre moyen de pression pour ces communes pour entrer dans leurs droits, M. Sadik Boukar Ali, journaliste indépendant. Moi, je pense que mise en garde, le mot, c'est trop fort parce que. Euh, une collectivité ne peut pas mettre en garde, encore moins menacer une société quand même d'État qui a des accords de partenariat avec un État. Aujourd'hui, la région d'Agadez, c'est-à-dire les communes de la région d'Agadez ne peuvent pas se lever Ils n'ont pas la personnalité juridique, je veux dire, en un mot. Vous comprenez Mais ils peuvent toutefois s'adresser à l'État j'ai Tout à l'heure, Gorel a posé le problème, justement. Euh, pardon, euh, du moins, mon cher ami Murtala a posé. Mais l'argent, la redevance là dont on parle, ça se situe à quel niveau Les sociétés l'ont versé à l'État, l'État n'a pas été à mesure de retrocéder aux collectivités, ou alors les sociétés n'ont même pas jusqu'à aujourd'hui daigné verser à l'État nigérien. Le problème, c'est pas à quel niveau ça se situe. Donc maintenant, si au niveau, par exemple, des communes d'Agadez, eux, ils savent le problème, mais selon euh, que ce soit vraiment le premier cas de figure ou le, deuxième cas de figure, il y a des démarches vraiment à suivre. Si c'est l'État nigérien qui a pris les fonds et que l'État nigérien n'est pas aujourd'hui à mesure financièrement de mettre à leur disposition, eh bien dans ce cas, l'État, on ne peut pas le menacer. C'est clair. Moi, je connais un problème parce que je suis acteur de la alors, société Alors, si on ne peut pas menacer l'État, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faudrait pour ces, élus locaux Qu'est-ce qu'ils doivent faire Mais attendez, euh, un élu local, euh, c'est-à-dire que, quelle que soit la forme de la décentralisation. On parle d'une région quand même. Je hein. parle, on parle d'une région, mais on parle aussi d'une partie du Niger. C'est une portion du Niger. Le Niger est un État souverain. Le Niger a des autorités qui engagent ce pays. Et le Niger, je crois, parle d'une même voix à travers les autorités nationales. donc, un élu local, c'est-à-dire a toujours des démarches à suivre voyez-vous, de façon chronologique pour réclamer son droit. Nous, par exemple, je vais vous donner l'exemple ici de la région d'Agadez. Allons-y avec ces, démarches à suivre, euh, avec ces, Oui, j'arrive. C'est un exemple euh, terre à terre que je vous donne. Par exemple, au niveau de la région de, Difa, le pétrole est extrait euh, au, niveau de la zone, par exemple, euh, d'Ongourti, depuis 2011, euh, officiellement, novembre 2011, à la date d'aujourd'hui. Il y a une première redevance qui a été versée. Jusqu'à présent, les gens attendent. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire, sont plus portés vers, par exemple, la responsabilité sociétale de ces sociétés-là, parce qu'indépendamment quand même des, euh, des les sociétés doivent normalement participer à la viabilisation, c'est-à-dire à, la mise en œuvre d'un programme sociétal, par exemple, au niveau vraiment euh, local. Et ça, j'arrive. Nous avons attiré l'attention des autorités à travers, par exemple, des mémorandums. Nous avons dit, par exemple, nous nous attendons que l'État mette à la disposition de ces collectivités, par exemple, des ressources qui sont rentrées dans le trésor public. Mais aujourd'hui, nous avons l'espoir et nous sommes convaincus que l'État du Niger va retrocéder ses redevances. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'État du Niger a des difficultés financières aujourd'hui. On ne peut pas prendre aujourd'hui 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards décaissés pendant que nous avons même des problèmes, par exemple, d'ordre salarial. Vous, êtes, à... vous êtes carrément en train de nous dire que, et je ne sais pas, ces élus locaux euh, sont peut-être euh, allés vite en besogne ou cette déclaration où est-ce que vous la situez Non, ils ne sont pas partis en besoin. C'est leur droit de crier et de dénoncer. Euh, par exemple, si les redevances ne sont pas euh, tombées, mais il faut quand même se situer la responsabilité. Ça se situe à quel niveau c'est-à-dire ils doivent réclamer auprès de l'État ou ils doivent réclamer auprès euh, vraiment des sociétés minières. Vous savez, il y a vraiment un effet de mode ces derniers temps. Vous comprenez, même dans notre région, à un moment donné, il y a des bruits qui couraient vers Difa haute là. Les gens disaient non, les sociétés c'est piscine, les sociétés BGP haute là qui sont dans la zone et même euh, nouvellement Savane haute là. Les gens disent il faut que ces sociétés nous versent ici directement de l'argent. C'est-à-dire qu'une population, une collectivité n'a pas cette personnalité juridique. Alors nous sommes dans un État unitaire et dans un État qui engage le pays. Et les 17 millions de Nigériens aujourd'hui ont droit aux retombées, vraiment en tout cas de ces sociétés, de ces redevances là cette loi, c'est une loi constitutionnelle, Issa Madougou. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que vient de dire Sadiq Mais c'est, en fait, la réalité là. Parce que, comme le cas de la région de, Difa par rapport au, pétrole, depuis le premier versement jusqu'à aujourd'hui, on ne va pas nous dire qu'on n'exploite pas le pétrole. Ce qui veut dire que la question que les autres ont soulevée, il faut savoir. À quel niveau se situe D'abord la collecte, les fonds à qui ce fonds revient après que les sociétés les prélèvent pour les verser Qui va les recevoir en premier lieu Et c'est à partir de là seulement que euh, ces élus euh, locaux pourront des entreprendre il faut mener d'abord des investigations, ce qui veut dire qu'il y a une démarche qui a été biaisée. Alors, si ils, peuvent se prononcer comme ça, il y a aussi une autre question que euh, le nigérian doit se poser, ce qui veut dire qu'il y a une corruption grandissante dans le secteur de l'exploitation minière. Parce que eux, ils savent la réalité. Ce pas des gens qui ne connaissent pas ce crime. Par exemple, au niveau précis d'Agadez, les gens savent combien arrive à verse, par comment. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas été aussi explicites dans cette affaire. Ils savent le, projet du, ils savent le financement de la route. Comment ça se passe Et les rédévances, comment les sociétés les versent Donc, un autour de cette Oui, ce qui veut dire qu'eux aussi, ils doivent être rédévables... Nous passons donc à ce prochain chapitre, le comité exécutif national euh, du Parti nigérien pour la démocratie le socialisme, Indestari, a rendu public le 22 mars 2017 une déclaration à son siège. Celle-ci porte sur plusieurs questions, dont la question sécuritaire de Niger, la gestion de l'éducation ou encore la question relative à, l'affaire des 200 milliards et la posture d'adopte selon eux de l'opposition politique ces derniers jours les insultes de bas niveau, mettant en cause l'unité nationale, les institutions républicaines et la démocratie sont devenues une pratique quotidienne de l'opposition. Leur aveuglement les a conduits ces derniers temps à soutenir sans vergogne Africard, cette société d'escrocs qui pense pouvoir se faire payer par notre pays des milliards sans qu'elle ait jamais accompli le moindre travail, nul que quelques préjudices lui aient été portés par l'État. Une presse spécialisée dans le faux et la propagation de fausses rumeurs a été créée à cette fin. Ainsi en est-il de la fameuse affaire des 200 milliards que le bon sens ne peut comprendre. Jusqu'à présent, personne n'a pu dire à qui appartiendraient ces 200 milliards. Au Niger, aux sociétés minières productrices de l'uranium, à Sopamine, qui est revendeur de sa cote-part de l'uranium produit, c'est pour mettre à nu ces gros mensonges que la commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied. Hiro Sani, secrétaire à l'information du bureau politique du PNDS au micro de nos confrères de la Voix euh, du Sahel. Pour rappel, nous n'avons pas le temps d'écouter l'autre déclaration de Lomana, mais pour rappel, le bureau politique du parti Modem FA Lomana avait lui aussi réagi le 16 mars dernier au verdict en appel de l'affaire dite de supposition d'enfants. La sentence rendue le lundi dernier condamne Hamma Amadou, président du parti Modem FA Lomana, à un an d'emprisonnement ferme. Dans sa déclaration, le bureau politique du Modem FA Lumana a dénoncé ce qu'il appelle une parodie euh, de justice. Alors, euh, vous avez tous entendu avec moi cette déclaration du PNDS. Presque personne n'a été épargné. Murtala Mahamadou euh, du journal La Griffe. Alors, vous voyez, euh, je pense que euh, la guerre politique continue. On va y aller rapidement, on a 7 minutes. D'accord, euh, elle continue et elle se passe malheureusement autant en début qu'en fin de mandat, en approche des périodes électorales. Mais c'est là peut-être les guerres politiciens, les acteurs politiques. Je crois que ça peut être compris comme étant quelque chose de normal parce qu'ils sont tous deux sur le même ring et ils s'affrontent. maintenant que peut-être un parti comme avec le, un passé comme celui du PNDS s'en prenne peut-être aujourd'hui à, la presse. Euh, c'est peut-être ça que je trouve déplorable. Euh, autant il y a des, médias qui se proches à tort ou à raison de, l'opposition, euh, il y a autant d'autres médias qui sont, qui sont proches d'autres formations politiques de la mouvance présidentielle. Donc, euh, euh, on est dans, un, dans une sorte de jeu d'équilibriste dans lequel chacun essaie de tirer son épingle du jeu, mais un parti politique, je le dis, comme le PNS sera avec le passé et toutes les acquaintances qu'il a eu avec la presse et le soutien de la presse qu'il a reçu par le passé, je pense que de sa part, la presse nigérienne ne mérite pas un tel traitement. Alors, Aruna Gorel, directeur de publication du journal Mutation, la société civile y compris est prise à partie dans cette déclaration. Est-ce que vous, pensez que c'est parce que ce parti aujourd'hui euh, pense qu'il n'a pas de soutien par rapport à, certains certaines presses que euh, aujourd'hui euh, ces paroles, cette déclaration choque Bon, je pense que dans vos propos préliminaires ou liminaires à, cette question précise, vous avez parlé de réponse du berger à la bergère. Je pense que c'est important de le dire parce que euh, dans un passé encore récent, aujourd'hui c'est un confrère de la place qui, révèle euh, cette affaire de, 200 milliards. Euh, je crois que lorsqu'on fait un feedback, il y a aussi une autre affaire qui a été révélée dans l'affaire Meba et qui a fait beaucoup de bruit aussi dans ce pays. Et je me rappelle aussi les déclarations qui ont accompagné cette affaire-là donc, euh, c'est pour dire que vous avez très, bien résumé en parlant de réponse du berger à la bergère. C'est de bonne guerre, c'est la politique. maintenant, moi, ce, sur quoi je vais mettre l'accent, c'est surtout par rapport à la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. À mon avis, cela démontre euh, d'une volonté affichée de faire la lumière sur cette affaire. Parce que jusque-là, on a tout, on a comme l'impression que c'est des spéculations ou que c'est de, la provocation, des fausses accusations. Donc laissons le temps à cette commission d'enquête parlementaire de mener ses investigations et de poser son rapport. En fonction de ça, on peut... Sinon, tout jugement serait un préjugement. Alors, euh, Sadiq Boukar Ali, vous pensez que cette commission d'enquête parlementaire euh, pourra faire la lumière et qu'aujourd'hui on saura toutes ces interrogations posées par Sani euh, dans cette déclaration seront peut-être, auront peut-être des réponses Bon, je ne peux pas faire de l'opinion de Rossoni euh, ma propre opinion, mais ce que certains, je constate quand même que dans cette déclaration, euh, il y a trois aspects qui ont été effleurés. D'abord, il y a l'éducation, euh, il y a la situation vraiment liée à cette affaire de 200 milliards et aussi à la sécurité en, général. Et de l'autre côté aussi, il y a trois acteurs qui sont visés. je constate qu'il y a la presse, il y a les partis politiques, l'Oumana qui est l'adversaire potentiel du PNDS, et de l'autre côté, la société civile. Donc si on essaie vraiment en tout cas de mettre tout ça ensemble, on constate quand même que quelque part le débat sur vraiment en tout cas l'actualité est vivant et vivace. Et c'est une très bonne chose, c'est à tout honneur pour la démocratie. Vous savez, moi, euh, je déteste surtout le silence. Je suis un homme qui a peur du silence et de l'obscurité. Si vraiment sur une question, il y a beaucoup vraiment en tout cas de silence, s'il y a la loi d'Omerta qui provoque sur un sujet, c'est que c'est très grave. L'affaire de 200 milliards n'a pas été euh, euh, évoquée par un parti politique. C'est un confrère de la presse privée qui a levé le lièvre. Il a dit voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tout le monde essaie d'oublier vraiment en tout cas l'auteur principal pour orienter cette affaire vers vraiment en tout cas un débat entre des partis politiques. C'est bien des partis politiques font leur travail, ils s'invectivent entre eux. C'est vraiment, en tout cas, tout honneur pour la démocratie nigérienne. Que l'Oumana qui cherche le pouvoir ou le PNDES qui conserve le pouvoir, c'est vraiment tout à fait un jeu sain en démocratie. Maintenant, la mise en place de la commission. Vous avez juste 20 secondes. Oui, procède quand même d'une démarche tout à fait normale normative et demande, euh, demande vraiment en tout cas qui tend vers vraiment la recherche de la transparence et de la vérité. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de procéder en démocratie. Et maintenant, quitte à ces parlementaires de jouer véritablement leur rôle. ces parlementaires euh, joueront véritablement ce rôle. On aura la réponse un peu plus tard. Issa Madougou, cette déclaration, euh, quelle est la réaction qu'elle suscite en vous oui, tout d'abord, moi je pense, je vais commencer par cette affaire de 200 000 qui défrait la chronique. Il y a cette commission d'enquête parlementaire qui témoigne de la volonté des deux camps à vouloir vraiment faire la lumière et édifier les Nigériens sur cette affaire qui vraiment aujourd'hui préoccupe beaucoup de Nigériens parce que les Nigériens se disent ah on a 200 milliards et pourtant notre pays est dernier. Comme et on dit « on va aller rapidement. Voilà. Mais maintenant, euh, pour euh, un peu dire euh, les attaques contre la presse, non, moi je pense que c'est c'est des débats qu'il ne faut pas essayer d'amplifier encore euh, pour dire que, parce que le PND s'est mal placé, pour dire que la presse, s'il y a eu une clochardisation de la presse, et du, créer du mercenariat au sein de la presse, de la société civile, c'est eux et s'il y a des gens qui en ont bénéficié euh, plus du soutien de la presse, c'est eux, vous vous appelez de l'affaire de Maman Abou. Peut-être que l'histoire le rattrape Non, je ne dirais pas que l'histoire le rattrape, mais quand même, ils, font, ils sont en train de se dérouter, de faire de la diversion. Maintenant, ce qui concerne entre Lumana et euh, moi, je pense que euh, c'est une guerre entre politiciens. Parce qu'il ne faut pas oublier le passé. Les Nigériens ont tendance à oublier le passé. ils oublient le FRDD. La lutte qu'ils ont, c'était les mêmes Hamamadou. À ce temps-là, il était au MNSD. Et Mohamed Issoufou. Ils ont fait la guerre sans aucun respect de loi et de règlement, même de la dignité même contre Bari. C'est les mêmes qui se sont retrouvés en 2011 pour conquérir le pouvoir. Et une affaire de poste les a divisés. Maintenant, c'est de bonnes guerres entre eux. Mais c'est que il faut que leur guerre soit bien concise à ne pas compromettre Alors, les intérêts Alors, c'est la fin de cette euh, émission. Nous étions en compagnie euh, de nos confrères euh, Murtala Mamadou du journal La Griffe, Aruna Gorel, directeur de publication du journal Mutation, Sadiq Boukarali, journaliste indépendant, et Issa Madougou du groupe de presse Ténéré. Fidèles auditeurs, merci d'être restés en notre compagnie. Au revoir.